le forum du studio le forum forum forum forum forum forum forum forum forum Monsieur, dames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangu et bienvenue à ce nouveau numéro du forum. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Je rappelle à nos auditeurs que depuis le début du mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux localités de Tanout, de Madawa, de Dakoro, d'Ogonduchi, de Walam, de Kablewa, de Gindimi, Kwartegi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios qui diffusent simultanément les programmes du studio Kalangou. Le viol sur mineurs au Niger, l'ampleur du fléau et mesures correctives, c'est la thématique du forum de ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par viol en général et celui des mineurs en particulier Quelles sont les causes de ce phénomène Comment ce phénomène se répand-il dans une société Quelle est la situation actuelle des viols sur mineurs de la ville de Niamey quelles conséquences sur la santé physique et mentale de l'enfant Comment se fait la prise en charge des victimes Quelles sont les différentes mesures et actions menées par les autorités et l'association des luttes contre les violences faites sur les mineurs pour réduire considérablement la survivance de ce fléau dans nos sociétés C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de trouver des réponses ce soir. Pour cela, nous avons dans ce studio M. Ibrahim Malzouma, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Bonsoir à vous. Nous avons également M. Mamman inspecteur de police en service à la division de la protection des mineurs et des femmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et M. Issa Louyaye, il est sociologue. Bonsoir également. Bonsoir. Et merci d'être venu. Chers invités, merci une fois de plus euh, d'être venus. Mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je vous donne la parole pour nous faire, euh, pour nous parler brièvement de vos structures, de vos fonctions. Je commence par vous, Monsieur Alzuma. Oui, merci. moi, je m'appelle Alzuma Traoré Ibrahim. Je suis le chargé de programme de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence. Donc, on est une ONG et qui œuvre au Niger depuis 1998 et qui est spécialisée dans la prévention et la prise en charge des cas de violences basées sur le genre au Niger. Nous sommes représentés dans toutes les huit régions du pays où nous avons des centres de prise en charge donc des victimes de violences basées sur le genre. Et nos principales activités, c'est eh, d'abord du point de vue prévention, donc euh, des actions de sensibilisation, d'information, d'éducation, de communication. Et nous faisons aussi des formations, mais aussi la prise en charge des victimes. Donc, quand la, violence survient, maintenant, quand une victime se, se, pointe au niveau de notre service, quels sont les, les services que nous lui offrons et avec quelle manière aussi la prendre en charge ou la référer au niveau des autres structures. Ok, merci à vous. Et vous, inspecteur Maman Mahman Oui, je suis inspecteur de police Maman Mohamed en service à la division de la protection des mineurs et des femmes. Donc, euh, la division de protection des mineurs et des femmes est un service au sein de la police nationale qui prend en compte toutes les questions liées aux mineurs et aux femmes. Donc, c'est une division spécialisée euh, dans le traitement des affaires impliquant les mineurs et les femmes. Merci à vous. Monsieur Issa Alouaye, vous êtes sociologue. Dites-nous quel rôle joue le sociologue de la société Bonjour, merci. Je suis, euh, comme vous l'avez dit, Monsieur Alou Issa. je suis sociologue de formation et communicateur. Bon, en fait, euh, le sociologue est là euh, dans la société pour voir, interpeller, essayer de conscientiser la société par rapport à un certain nombre de phénomènes requérant, que ce soit des faits divers, des phénomènes ou des faits sociaux qu'ils constatent, qui parfois sont en adéquation avec les us, coutumes, traditions, eh bien, il va essayer de les encourager. Lorsqu'ils sont en contradiction avec les valeurs sociétales de la société, eh bien, il attire l'attention. Juste, nous, nous attirons l'attention de la société ou du décideurs afin qu'ils puissent proposer peut-être parfois même les donner de plus de solutions afin qu'ils puissent agir en conséquence par rapport aux problèmes décelé. Et comme je le disais plus haut, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la question du viol sur les mineurs. Et mhm. donc, euh, en tant que sociologue, comment est-ce que vous définissez le viol en général oui, en général, le viol se définit euh, comme euh, tout acte de pénétration sexuelle qui est commis sur une personne tierce euh, que ce soit sous forme de menace, euh, sous forme euh, de, violence ou par surprise. Donc, en général, en tout cas, on définit le viol comme étant ce, cet acte de pénétration sexuelle contre le gré de quelqu'un qu'on pose, qu'on commet vis-à-vis de quelqu'un contre son gré. Et, qu'en est-il donc du viol sur mineur Qu'est-ce qui explique ce phénomène dans nos sociétés Oui, le phénomène peut s'expliquer euh, à travers beaucoup de paramètres, dont entre autres, je pense, euh, un problème d'abord fondamentalement au niveau de la culture. Nous allons peut-être essayer de voir les deux paramètres. Le premier paramètre, celui d'abord individuel, et ensuite celui collectif lié à la société, un certain nombre de dégradations sociales qui peuvent engendrer ce phénomène. Donc, euh, pour revenir peut-être au niveau des individus, Lorsque on parle de, phénomènes de phénomène de socialisation, nous avons ce qu'on appelle le groupe de pairs, qui permettent généralement une sorte euh, euh, d'éducation euh, horizontale au niveau de ces jeunes, mais malheureusement l'effet à ce niveaux d'influence est assez grand. Et on constate, en tout cas, au niveau des adolescents, des jeunes adolescents, ce qui les pousse beaucoup plus à, franchir la ligne rouge, puisque la société a fait un certain nombre de barrières sur chaque phénomène. Eh bien, c'est l'influence. Euh, parfois, les jeunes sont là ensemble. Et les statistiques le montrent, plus de 85% des débats autour des fadas ou des groupes de pères est lié à la sexualité. Mais nous sommes parallèlement dans une société où le problème de la sexualité n'est possible ou assouvir sa libido n'est possible que lorsqu'on est dans un cadre euh, familial accepté par la société. Tant que vous n'êtes pas dans un foyer, la société conçoit mal cet état de fait. Malheureusement, l'autre facteur également qui intervient, c'est l'influence des médias. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, si on doit faire des statistiques, je suis convaincu que plus de 80% des cellulaires des jeunes il n'y a rien. Parfois même au-delà même des jeunes, mm. il n'y a rien que des images indécentes. Donc qui incitent l'individu. Et au niveau individuel, comme je le disais, à l'âge adulte ou à partir de l'adolescence, il y a les hormones sexuelles qui commencent à se développer à l'individu, donc qui le pousse parfois à vouloir franchir la ligne rouge là. Donc ce cocktail d'événements renus, lorsque on est en face d'un adolescent qui n'a pas encore une certaine maîtrise de soi on peut facilement franchir le cap et aller au viol. Autant de facteurs donc qui favorisent ce phénomène. Euh, est-ce une pratique dangereuse selon vous Évidemment, mhm. c'est une, pratique dangereuse puisque euh, au-delà de tout, ça étouffe. Ça, ça, c'est une agression contre quelqu'un. Une pratique dangereuse. Je reviens vers vous, inspecteur Mahaman. La loi nigérienne, euh, combien de viols, de, de formes de viols distingue elles par rapport au viol, c'est l'article de 283-284 et l'article de la loi numéro 2003-25 euh, euh, euh, du mois de juin 2003 a bien défini le viol. Donc le viol, comme l'avait si bien dit notre collègue, c'est une pénétration sexuelle et pénétration sexuelle vaginale, anale ou orale ou une pénétration par la main ou par un autre euh, un objet quelconque sans le consentement de la personne victime. Et donc euh, c'est un crime prévu par euh, et, puni par la loi nigérienne. Maintenant, en ce qui concerne les formes, le viol, on parle plutôt des, cas d'aggravation. Que si le viol est commis sur un mineur, mm. maintenant ça devient un cas d'aggravation comme l'avait prévu, du moins et la, loi. Si le viol est exercé sur un mineur de moins de 13 ans, et donc euh, ça constitue un cas d'aggravation. Et la peine va de 15 ans à 30 ans d'emprisonnement pour l'auteur. Quand on parle de mineur, euh, il s'agit de, c'est à partir de quel âge quand on parle de mineur euh, Si on parle de mineur, c'est tout être humain, que soit fille ou garçon qui a moins de 18 ans. Monsieur Alzuma, votre analyse euh, sur ce phénomène du viol sur mineurs Bon, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, euh, d'abord, euh, vous avez constaté que le code pénal a été en tout cas beaucoup plus large parce que on sait que le terme générique du viol, c'est tout simplement des relations sexuelles sans consentement donc de la victime. Mais le code pénal est allé au-delà pour dire que toute pénétration, que ce soit anale, buccale, sexe vaginal, ou l'introduction d'un objet, en tout cas dans le sexe ou n'importe quel orifice de la femme. Donc vous voyez tout ça là, ça tend vraiment à protéger la femme et, la jeune fille. Et ce phénomène de viol euh, aujourd'hui est, surtout sur mineurs. Donc euh, c'est un phénomène qui est vraiment très récurrent dans nos sociétés. Et le constat aussi que nous avons fait, c'est que la plupart de ces, de ces cas de viol sur mineurs sont perpétrés par des individus qui sont proches de la famille. Donc, ils, profitent de, de, cette proximité donc pour euh, faire leur forfaiture. En tout cas, euh, de par les statistiques que nous avons et les investigations que nous avons eu à mener, et pratiquement plus de 90% des cas de viols sur mineurs sont perpétrés soit par un parent, un ami proche de la famille ou un voisin. Donc vous voyez, ça c'est un phénomène déjà qu'on peut, qui est un peu difficile à enrayer parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, généralement, ça se passe au sein même de, la, famille. Oui, au niveau de votre euh, ONG, est-ce que vous enregistrez le plus souvent des cas de viols sur mineurs oui, on enregistre des cas, même si ces derniers temps, quand même, on, a constaté qu'il y a beaucoup moins de cas. Et ça, euh, nous pouvons le dire, euh, c'est pas parce que il n'y a pas eu beaucoup, il a pas beaucoup de cas, mais tout simplement c'est parce que euh, nous avons entrepris des, actions de sensibilisation et d'information à l'endroit de la population pour leur dire en cas de viol, voilà les structures appropriées qu'il faut toucher. Donc beaucoup de ces, de ces cas-là vont directement au niveau de, de, la division centrale de protection des mineurs et des femmes. Et certains aussi vont au niveau des, commissariats euh, donc des services de protection des, des, mineurs au niveau des commissariats. Donc voilà pourquoi nous, à notre niveau, on en reçoit très peu maintenant mais quand même cela ne veut pas dire que on en enregistre. Monsieur Issa Alou, euh, pour revenir un peu en profondeur sur cette question, selon vous, ce phénomène de viol sur mineur, comment il arrive à se répandre dans une société Il y a, ce phénomène euh, d'influence. Hein. en tout cas au niveau des jeunes adolescents le plus souvent, parce qu'en général, on constate beaucoup plus de cas de viol collectif. Hein, c'est deux jeunes, peut-être il y a parmi eux un caïd qui peut amadouer une jeune fille, l'amener au niveau de leur ghetto, ce qu'ils appellent ghetto, et là, tout le monde en profite. Donc, le plus souvent, en tout cas, en général, c'est l'effet d'influence qui entraîne ces jeunes à vouloir euh, franchir la ligne rouge. Mais également, il faut comprendre que nous avons un certain nombre de paramètres au niveau de la société qui n'encouragent pas, en tout cas, la maîtrise, j'allais dire, de soi c'est quoi euh, Nous constatons les mêmes pratiques qui sont là depuis plus de 40 ans. Pas pour justifier, mais pour <laughs> expliquer. Euh, c'est-à-dire quoi Dans le temps, le jeune, à partir de, à moins de 20 ans, on peut le marier. Parce que c'est quoi Le mariage est lié à la capacité de l'individu à produire. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, surtout en milieu urbain, vous allez constater des jeunes, des adolescents, des adultes, j'allais dire, qui ont jusqu'à 30, 40 ans, qui ne sont pas des acteurs productifs de la mm. société et à qui on demande de rester chaste entre griffes jusqu'à se marier. Mm. Parce que le cadre pour assouvir cette libido, c'est le foyer. Or, lui, la condition pour remplir ça, il n'en a pas. Et mm. on lui demande de rester intact, surtout face aux influences ou euh, à la menace, j'allais dire, des réseaux sociaux, des films et tout mm. ce qui s'ensuit. Eh bien, il serait à la limite difficile, quasiment impossible pour beaucoup de ces jeunes de pouvoir se maîtriser. Oui, on sait que généralement les viols sur mineurs euh, sont, sont produits ou bien pratiqués par les adultes euh, qui, on le dit souvent, font face à des problèmes psychologiques, c'est ça oui. Le trop de pression, en vérité, euh, rend malade, rend dingue. Parce que euh, le plus souvent, c'est vrai, il y a ce paramètre-là. Lorsqu'on est impossible ou dans une situation d'incapacité de maîtriser sa pression, eh bien, on, devient à la limite un fou, un dingue, et on peut agir contre les valeurs sociétales. Mais c'est vrai, peut-être chez nous, le problème ne, euh, ne peut pas se justifier de tel. Il y a des certains, dans certaines régions où on pense euh, que euh, pour des raisons culturelles, sociétales, on pense qu'on peut se guérir de telle ou telle maladie, on peut obtenir telle ou telle paramètre ou tel ou tel rang social en violant une fille. Donc il y a un certain nombre de valeurs sociétales négatives qui peuvent, dans le cas d'un certain, plus souvent, dans certaines communautés, pas le nôtre, qui peuvent pousser également au viol. Inspecteur Mahaman, euh, quelle est la situation actuelle euh, des cas de viol sur mineurs que vous enregistrez en termes de statistiques Oui, bon, en ah, termes de statistiques, on peut se prononcer. Euh, et maintenant, par rapport à au cas de proprement dit de viol, quand vous prenez du mois à partir du mois de juin à octobre 2017, on a enregistré rien qu'au niveau de la division 10 cas de viol. Sur mineur. Sur mineur. Et cela, c'est uniquement au niveau de la division sans tenir compte maintenant au niveau des autres commissariats qui sont en ce qui concerne la ville de Niamey, qui sont au niveau des premiers, deuxième troisième quatrième et cinquième arrondissements. Donc maintenant par rapport à ces cas enregistrés, il faut aussi retenir que par rapport aux viols sur mineurs, les cas qui sont déclarés ne sont pas forcément les cas qui sont c'est, les cas totaux de mhm. viols exercés, sur les mineurs. C'est le cas souvent qui la victime soit est malade, blessée ou bien elle a un âge moins de 5 ans et c'est ce cas-là que les gens viennent souvent déclarer. Mhm. Ou bien quand les gens partent, si la victime est blessée, partent se faire soigner. Maintenant, au niveau des centres de santé, on leur recommande de retourner au niveau des commissariats pour avoir une réquisition avant qu'ils ne soient pris en Oui, c'est ce nombre que ce nombre que vous venez de donner comparativement au, mois précédent, est-ce qu'il est en hausse ou bien en baisse Bon, il est vraiment eh, le nombre là, il est toujours euh, ça augmente toujours hein. plus on progresse euh, vraiment ça augmente. Par rapport au mois passé, vraiment ça a augmenté. Et mhm. maintenant ce qui est un peu alarmant, c'est souvent eh, dans la fourchette les victimes sont entre 3 euh, 5 ans, voire 10 ans. Vraiment, c'est ce qui est un peu alarmant. Donc, euh, et ça a été expliqué tout à l'heure par euh, monsieur M. Alzuma que généralement, ces cas de viol enregistrés, c'est un parent, un proche ou bien une personne que la famille accueille, qui est là, euh, il s'est familiarisé avec les gens, ils sont. Mhm. Et du coup, maintenant, la, confiance s'installe et mhm. la personne du jour au lendemain profite pour abuser des petites filles qui se trouvent dans la Monsieur Alzouma, comme vient de le dire euh, l'inspecteur Mahaman, euh, la plupart du temps, ce ne sont pas tous les cas euh, de viol qui sont déclarés au niveau des, services de police. Selon vous, pourquoi les familles ne déclarent pas certains cas de viol sur mineurs Bon, vous savez, <clears throat> comme l'inspecteur l'a dit au tout début, le viol est qualifié de crime et maintenant, quand il est perpétré sur une mineure, il y a des circonstances aggravantes. Et comme on l'a dit aussi, la plupart de ces cas de viol-là sont perpétrés en famille. C'est un cousin, c'est un oncle, c'est un grand frère, donc, qui le, qui le font. Maintenant, comme on le dit en Afrique, les linges sales se lavent en famille. Ils savent pertinemment que s'ils portent l'affaire au niveau de la police ou de la justice, voilà ce qui encourt l'auteur. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent toujours le cacher. Et généralement, c'est quand il y a des problèmes que nous, ONG, on est saisis ou bien que la police et la justice sont saisis. Donc voilà un peu ce qui... Pour ce qui est des... Je, je reviens au niveau des statistiques. Oui, oui. J'ai des statistiques, par exemple, au niveau de notre ONG, les statistiques de 2016, par exemple. Nous avons enregistré 64 eh, cas de viol sur les 64, il y a 38 cas sur mineurs. Mais nous, au niveau de l'ONG, c'est-à-dire, on reçoit les cas, on, les appelle, c'est des présomptions. C'est-à-dire, Quand la personne vient, dit qu'elle a, a, été victime de viol, donc nous, on prend cela comme viol, mais maintenant, on les transmet aux autorités compétentes, par exemple, au niveau de la brigade des mineurs, et ils vont faire des investigations, et il y a des moments où le viol n'est pas établi. C'est-à-dire, c'est juste. Euh, peut-être une agression sexuelle, parce qu'il faut faire la différence aussi entre une agression sexuelle et un viol. Donc c'est en ce moment-là qu'au niveau de la police ou de la justice, ils vont faire la part des choses pour dire réellement si cette fille-là a été victime de viol, si elle a été touchée. Donc en ce moment-là, eux, ils ont peut-être les statistiques finies, si on peut le dire, mais nous, c'est les statistiques brutes que nous avons à notre niveau. Et donc, dans des cas de viol, comment est-ce que votre organisation s'y prend, prend en charge cette question Comment on vous déclare. Euh, Dès qu'on nous déclare un cas de viol, d'abord, si les, plaignants viennent eux-mêmes au niveau de l'ONG, donc on les prend en charge. S'ils ne viennent pas, si c'est un signalement que nous avons, donc nous nous transportons directement sur les lieux pour essayer de clarifier cette situation pour savoir si c'est vrai ou faux. Des fois, il y, a des, il y, a des, cas où la famille cherche à cacher, mais nous, quand on est saisi, donc on se pointe là-bas et deux fois avec aussi l'aide de la police. Donc on essaie de clarifier cette affaire. Maintenant, quand euh, ils viennent au niveau de l'ONG, la première chose qu'on fait d'abord, comme c'est un viol, vous savez que c'est quelque chose de très sensible. Donc la première chose d'abord, c'est les référencer au niveau euh, de, la police pour qu'ils puissent avoir une réquisition à personne. Parce que tant qu'ils n'ont pas ce papier de la police là, il n'y a aucun médecin qui va les toucher. Donc il faut qu'il y ait cette réquisition pour que les médecins puissent constater si réellement il y a viol ou pas. Donc c'est à ce moment-là que et la police ou la justice en ce qui les concerne prennent les aspects qui les intéressent et nous aussi, en tant que structure, en tant qu'ONG, nous avons des mesures d'accompagnement que nous pouvons donc euh, mettre à la disposition de ces victimes. Donc je reviens vers vous, Monsieur Inspecteur Maman. Donc cette prise en charge, comment ça se fait après que les ONG, je ne sais pas, vous aient déclaré euh, des cas Comment cette prise en charge est faite oui, par rapport à la prise en charge, c'est aussi simple que ça, parce que généralement, les victimes, il y a des victimes, et effectivement, comme l'avait si bien dit Arzuma, qui nous sont référées des ONG ou bien des tierces personnes. Donc, par rapport à ça, automatiquement, on reçoit la plainte on fait la réquisition et on les réfère au niveau de la maternité Isaac Gazobi, là où il y a des gynécologues spécialistes qui sont là. Et chaque fois qu'ils partent là-bas, la prise en charge en ce qui concerne c'est gratuit. Ils sont pris en charge. Donc euh, après, maintenant s'il y a peut-être des produits, c'est en ce moment-là, soit euh, si les parents ne sont pas mm. euh, en mesure automatiquement d'en avoir, on retourne chez les partenaires comme SOS maintenant pour prendre en charge l'aspect santé, médicaments, tout ça. Monsieur Ayé, c'est ça, vous êtes sociologue. Dites-nous quelles, peuvent être les conséquences de cette pratique sur la santé de l'enfant Psychologique, tout ça Psychologique, mm. surtout, peut-être, euh, je vais vous en parler peut-être sur la santé euh, fait sociale ou psychologique, de l'individu, euh, de la jeune fille. Il y a le sentiment de culpabilité la honte tout de suite, ils étaient en train de le dire. En général, en Afrique, on se dit que le linge sale se lave en famille. Eh bien, il y a vraiment cette culpabilité qui se développe au niveau psychologique de l'enfant. Il y a la peur, l'anxiété, la colère, la dépression, parfois même des sentiments d'impuissance. Et il y a cette perte, si vous voulez, de la confiance en soi, mais également on a parfois des crises d'angoisse, des troubles de sommeil euh, qui empêchent euh, généralement l'enfant à, dormir tranquille. Et il y a des troubles alimentaires également qui peuvent être constatés. Et euh, généralement, les parents font tout pour étouffer mm. le, problème ou le sujet parce que même dans l'avenir, la petite fille a moins de chances d'avoir un, mari, sachant qu'elle a été violée à son enfance. Et je vous assure, euh, pas aussi longtemps que ça, j'étais témoin d'une situation pareille où la famille a tout fait pour étouffer le problème. Pourtant, ils ont pris, c'était un, un, la main dans le sac avec la fille, mais ils ont tout fait pour étouffer la situation parce que tout simplement, ils se disent jamais, si jamais le quartier le sache, les autres le sachent, peut-être demain, la fille n'aura pas de chance d'avoir un mari. Et surtout, ça va encore aggraver la situation psychologique de la jeune fille parce que partout où elle sortira, dès qu'elle sortira, elle sera pointée. Celle-là mm. a été violée à tel moment, à telle période. Mm. Et vous savez, notre société, comment est-ce qu'on est fort dans le commérage Les histoires, c'est-à-dire, on les développe, on les, on augmente un certain nombre de paramètres mm. qui rend encore beaucoup plus stressant, angoissant euh, la petite fille. Le viol étant considéré comme des services infligés aux enfants, il nécessite un suivi et une prise en charge particulière. À cet effet, écoutons docteur Shekarou Moudi, il est chef service gynécologie à la maternité Isaka Gazoubi Il nous parle, nous explique euh, comment se déroulent les consultations et la prise en charge des viols sur mineurs dans les centres de santé. On l'écoute. Bon, il faut dire que euh, le parent d'abord qui constate que euh, son enfant a été victime de, viol ou d'agression sexuelle. le premier élément, c'est de porter plainte au niveau donc de la police. Donc, euh, la police lui remet normalement un document qui demande donc au médecin, gynécologue ou à la sage-femme, ça dépend des localités, donc de porter son jugement, de faire une expertise, de lui dire s'il y a viol ou s'il y une, euh, ou si c'est un cas de bagarre ou quelque chose donc, de déterminer l'interruption temporaire de travail, en, clair, de répondre à la police. Est-ce qu'il euh, y a des questions spécifiques qui sont posées à la victime même pour euh, être sûr que c'est réellement un viol ou pas Oui, ça dépend si la victime peut parler. Mhm. Donc, si elle est jeune, quel que soit, dans tous les cas, son âge, vous, vous recueillez d'abord euh, les événements. Elle vous décrit les événements tels que euh, elle les a subies. Après, vous faites votre examen pour déterminer par rapport à ce que, la, que la victime a mm. dit. Donc, vous, vous examinez la femme ou la, la, patiente pour voir si c'est euh, réellement vrai ce que la victime a rapporté. Donc, vous faites une comparaison et vous répondez maintenant dans votre lettre à la réponse que vous adressez maintenant au, au juge. Donc, vous, vous, vous, répondez euh, en votre âme et conscience. Nous, on constate, on répond. Maintenant, les conséquences qui peuvent euh, se voir chez la victime, il y a certainement des conséquences psychologiques. psychologique. Parce que si c'est un viol ou si c'est une agression sexuelle, tout ça, la victime, elle est traumatisée. Donc, il faudrait l'adresser euh, chez un psychologue qui doit la prendre en charge. Des fois, bon, c'est passager et des fois, ça peut durer longtemps et compliquer la, la, vie de la, de la patiente. Maintenant, c'est un traumatisme donc, vous êtes obligé d'arrêter le traitement Donc, c'est-à-dire que passer au bloc. Si c'est des petits enfants, donc il faut les endormir, tout ça, les réparer. Après, avec la douleur, les prendre en charge. Il faut une bonne prise en charge. Il faut qu'ils soient bien entourés par leur famille, par leur mère ou par leur euh, parent parents proches qui est quand même euh, avec eux. Bon, maintenant, l'autre aspect, cest quand on a une expertise médicale, certainement en rapport avec un viol ou même une agression ou une bagarre. Donc il y a des examens que nous demandons aussi. Par exemple, dans le cadre des infections courantes que contrôle, le VIH, le... Donc nous demandons des examens pour s'appuyer sur le cas. Deux fois, le premier contact que vous avez avec la patiente, vous faites quand même un examen de base. Maintenant, si c'est négatif, euh, par, en rapport avec la période d'incubation donc de la pathologie. Donc vous reprenez les examens euh, deux mois après ou trois mois après pour être sûr qu'il y a bien. Et des fois, les, si c'est des jeunes filles qui sont par exemple des adolescentes euh, qui peuvent tomber enceintes au cours d'un viol, donc là, vous faites vraiment votre euh, bilan, vous demandez même l'échographie, vous la revoyez pour être sûr que la patiente là n'est pas n'est pas enceinte. Parce que c'est des cas aussi à gérer, ou des fautes de viol, on a des personnes qui sont atteintes et il faut les gérer. Je reviens dans ce studio, chers invités. Vous venez d'entendre les explications du gynécologue Moudi Shekaro. Inspecteur Mohamed, après toutes euh, ces consultations, les examens et autres, est-ce que vous référez les victimes même d'un autre centre pour une prise en charge psychologique Oui, bon, en ce qui concerne euh, les expertises, quand ça, euh, D'abord, euh, maintenant, les résultats, si euh, les, résultats sortent, si ça s'avère vrai qu'il y a eu viol, donc il y a l'aspect juridique aussi qui est là. Donc on fait euh, la procédure qu'on euh, de faire au niveau du parquet, donc au niveau du procureur. Maintenant, si on constate que la victime, évidemment, elle est traumatisée, on fait appel. Parce qu'au niveau de la maternité, il y a le service social qui est là. Au niveau du service social, il y a aussi des psychologues, il y a des assistants sociaux qui, sont là. Au niveau des ONG avec lesquelles on travaille comme SOS, aussi ils ont des, des travailleurs sociaux qui sont là, des psychologues, on les réfère, si on constate que la victime est tellement traumatisée, on les réfère pour la prise en charge psychologique. Mais comme l'avait un exemple de, tout à l'heure qui a été illustré par rapport à ces problèmes psychologiques aussi qu'on constate chez la victime. Une fois que une petite fille qui n'a pas encore 10 ans qui a été victime, rien qu'hier, hein, on a eu un cas, elle a été victime il y a de cela un an. Maintenant, dans la semaine, dans cette semaine-là, elle a vu un monsieur peut-être qui lui paraissait comme l'auteur du viol mhm. qu'elle a été victime. Et donc, euh, du coup, Peut-être le monsieur a adopté le même comportement que son auteur et automatiquement elle a piqué une crise. Mm. Et elle a commencé à raconter des choses aux parents. Mm. Et le parent, elle a indexé un monsieur qui lui semblait être euh, la même personne que la première euh, mm-hmm. personne qu'il a violée. Donc le monsieur a été conduit chez nous. Après investigation, on a su que donc euh, finalement elle-même elle, a révélé que bon voilà, il a adopté le même comportement que l'autre personne de l'année passée. Qui... Mhm. Donc vous voyez vraiment la conséquence psychologique y est chez les victimes. Des... Quand, quand il s'avère que c'est réellement un, viol, quelles sont les procédures donc, juridiques que vous prenez les procédures juridiques, comme l'avait prévu le code, et le code pénal et le code de procédure pénale nigérien, on monte le dossier, on fait le PV par rapport à, on entend l'audition plainte des la maman de la victime ou le tuteur ou bien un parent de la victime. Et on interpelle. Maintenant, après avoir eu les résultats de la réquisition adressée au médecin gynécologue, donc on interpelle euh, l'auteur de l'infraction, on fait son interrogatoire, on euh, ficile le dossier et on envoie au parquet. Maintenant, bon, pour vous donner un exemple, hein, rien qu'hier, il y avait un mineur de 15 ans qui a violé une petite fille encore de 3 ans. Et comme euh, les sociologues... À ici à Niamey. Rien qu'hier, hein. et le sociologue l'avait évoqué tout de suite, les parents, compte tenu que l'auteur, c'est un voisin direct aux parents de la victime, ils ont voulu étouffer l'affaire. Et comme le procureur est informé, le procureur a dit non, la procédure va suivre son cours et le monsieur sera défait. Quelles sont les sanctions qui sont prévues donc par la loi pour, euh, pour les coupables Pour les coupables, euh, si euh, une personne commet une infraction, un crime de viol sur un mineur, selon l'article 284 du Code pénal nigérien, la sanction c'est de 10 à 20 ans de prison. Maintenant, si le mineur à moins de 13 ans, ça c'est ce qui concerne le viol. Si encore le mineur a moins de 13 ans, la peine va entre 15 et 30 ans d'emprisonnement. Ces sanctions sont appliquées à la date d'aujourd'hui Oui. Dans tous les cas qui sont déférés, sont pris en charge par le parquet. Donc à ce moment-là, c'est le parquet qui s'en charge au niveau de la police. Mm-hmm. Monsieur Alzuma, au niveau de votre ONG, quelles sont donc les actions que vous menez pour éradiquer ce fléau <coughs> au niveau de notre ONG, d'abord, il y a des actions de prévention, donc tout ce qui concerne les, sensibilisations, les dialogues euh, communautaires avec les communautés, et pour que vraiment les gens puissent être très regardants par rapport à, à certains faits et gestes euh, de leurs enfants. Maintenant, euh, quand ce, ce viol-là survient, euh, nous avons au niveau de notre centre, donc depuis quand même un certain temps, des personnes, des spécialistes qui sont là pour la prise en charge. Par exemple, le psychologue. Mm. Tout cas qu'on reçoit automatiquement, on sait qu'il a besoin d'être pris en charge sur le plan psychologique. On évacue donc l'aspect juridique et l'aspect sanitaire mais l'aspect psychologique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Donc, on est obligé maintenant de suivre la victime jusqu'à ce que, arrivé à un moment, on constate que vraiment, il n'y a aucun danger. Parce que vous savez que le traumatisme, il peut être latent. La personne peut le garder pendant des années. Donc, il va falloir faire des investigations vraiment très poussées pour, euh, euh, euh, constater pour être constaté que, en tout cas, la victime est hors d'état de. Maintenant, par rapport à l'aspect juridique dont parlait l'inspecteur Ipemaman, à ce niveau aussi, nous accompagnons les, survivantes. Vous savez, la procédure judiciaire, comment deux fois elle est lente, mm. et deux fois aussi, cette procédure judiciaire, les, plus faibles, euh, en tout cas, euh, ont des difficultés à avoir euh, cette justice-là. Donc nous, nous, pouvons, par exemple, dans certaines situations, quand on pense que la victime est faible, donc prendre le conseil d'un avocat parce qu'on a un avocat avec lequel on, se traite Donc, il prend en charge le dossier jusqu'à ce que cette victime-là puisse mhm. rentrer dans ses droits. Est-ce qu'il y a un autre suivi que vous faites euh, pour ces victimes après même toutes ces procédures, consultations, tout ça Oui, il y a aussi l'aspect social. Parce que euh, une fois que tout ce tralala-là va finir, maintenant, elle va se poser le problème euh, de l'insertion, de la réinsertion sociale de cette victime dans la société. Donc à ce niveau aussi, nous avons mis en place quand même un dispositif qui nous permet d'accompagner les survivantes, en tout cas jusqu'à ce que eh, ce problème-là soit complètement réglé. Inspecteur Maman, euh, est-ce qu'il y a d'autres actions euh, que vous menez pour euh, vraiment stopper cette pratique qui met en danger la santé des mineurs Est-ce qu'il y a des activités en amont que les services de police font Oui, bon, les activités en dehors celles juridiques communes, c'est peut-être avec nos partenaires ONG. Et on organise souvent des séances de sensibilisation à l'endroit des jeunes effectivement à l'intention des collégiens et lycéens. Mais cela n'est pas aussi suffisant. Normalement, le gros travail doit se reposer aux parents. D'abord au niveau de la famille, que les gens vraiment veillent sur les enfants, sur leur comportement, sur les actes et les actions que les enfants sont en train de poser. Et ces petits-là qu'on a souvent avec nous, qu'ils soient un, un neveu, un, neveu ou bien un gars comme ça qu'on engage dans la maison mm. pour euh, les trucs des ménages et autres, vraiment qu'on doit veiller. Parce que souvent, la sympathie entre les enfants s'installe. Mm-hmm. Donc, du coup, du jour au lendemain, si on n'est pas trop regardant par rapport à leurs actions, et bon, ça peut conduire vraiment à ce genre d'actes aussi. Mm-hmm. Et bon, par rapport aux aspects juridiques, là, mm-hmm. c'est clair tout cas qui est déclaré, il est pris en charge à notre mhm. niveau. Mhm. Et la procédure, tant que le, viol est constitué, le dossier va être monté et jusqu'à au niveau du parquet. Et quel est votre mot de fin euh, mon, mot de fin, bon, euh, va à l'endroit des, médias aussi, parce que le gros du travail, c'est aussi les médias. Hein. Il faut, à travers euh, des rencontres comme celle-là, et d'autres activités liées à votre profession, mhm. pour pouvoir de temps à autre aussi sensibiliser aussi bien que les parents, les enfants aussi, pour maintenant euh, voir les dangers et la conséquence mhm. euh, du phénomène. Merci à vous. Alors, monsieur Aye, vous êtes sociologue. Dites-nous, euh, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait davantage pour arrêter complètement cette mauvaise pratique Merci. Je pense que, comme l'a dit mon collègue, euh, c'est vraiment des actions beaucoup plus de prévention. Il faut euh, dialoguer, il faut beaucoup communiquer, il faut sensibiliser les populations. Je crois que des ONG doivent réorienter peut-être des actions et épauler déjà celles qui sont sur place et les médias également euh, des débats parés, des forums comme ça peuvent vraiment permettre à la population de prendre un certain nombre de, dispositions pour prévenir. Prévenir, savoir que l'aspect violence sexuelle peut intervenir à n'importe quel moment. Et surtout que les statistiques le montrent, c'est d'abord un parent proche qui est le plus souvent apte à poser l'acte. Donc il faut systématiquement prendre des précautions pour limiter au maximum euh, la proximité entre les jeunes filles, les petites filles et les adolescents. Mhm. Il faut sensibiliser les jeunes au niveau de leur fada, au niveau de leur groupe de pères, pour, par rapport à la, euh, au danger de franchir cette ligne rouge, mais également par rapport à la nécessité de se ressaisir eux-mêmes pour ne pas commettre des délits, surtout lorsque on, fait cas de, toutes euh, les dispositions prévues par la loi pour réprimer l'acte. Donc je pense que vraiment euh, c'est des paramètres qu'il faut. Mais au niveau euh, social, transformer la mentalité, c'est un problème qui, qui va durer, qui va prendre beaucoup de temps, peut-être des actions, des actions ponctuelles de, au niveau sociétal, au niveau des individus ou au niveau des, des, des, familles, à la longue peuvent amener à euh, modifier un certain nombre de comportements. Et surtout, il faut inciter, il faut inciter, je dis bien, les jeunes adolescents à pouvoir se marier le plus tôt possible. Puisque l'une des raisons, tout de suite, on le disait, le trou de célibat, fait partie également des problèmes qui engendrent cet état de fait. Mhm. Et Ibrahim Alzouma, euh, pour finir, euh, euh, quel appel avez-vous à lancer pour vraiment à toute la société pour stopper ce fléau moi, <clears throat> l'appel que je vais lancer d'abord, c'est à l'endroit des, parents, comme les autres ont à le dire, c'est vraiment de, de mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants, sur leur suivi mhm. et contrôler tout ce que les enfants font parce qu'aujourd'hui avec euh, les phénomènes de, des réseaux sociaux, donc c'est là que les enfants à bas âge apprennent certains, déjà certaines choses. Et l'autre aspect aussi, c'est surtout au niveau de, du travail donc que les médias aussi peuvent faire parce qu'ils ont la possibilité de toucher en tout cas beaucoup plus de monde grâce à leur capacité d'écoute. Donc vraiment, c'est de, euh, de, continuer dans cette lancée, donc à sensibiliser surtout. Euh, c'est au cours de ces débats-là que les jeunes, de fois, arrivent à comprendre. Et quand ils ont en face d'eux un cas de viol, et cela constitue un crime et qu'il ne doit pas être caché, il doit être dévoilé et que l'auteur doit être puni pour que ça serve de leçon à d'autres qui ont l'intention de le faire. Merci à vous. Monsieur à Il y vraiment, je vais donner peut-être un petit exemple pour finir. <laughs> rapidement. Oui. oui. rapidement. Il y a hum, un jour une étudiante qui me disait, lorsqu'ils étaient jeunes, à leur temps, on dit même rester au dehors. Les parents, ceux qui les inquiètent de la tête, parler avec un garçon, tu peux tomber enceinte. Mais ça les a menés à fuir carrément les hommes. Et là, ça permet vraiment d'éviter un certain nombre de choses qu'on nous sommes en train aujourd'hui de constater. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Chaque fois, les garçons et les filles, derrière, si tu es même éveillé, c'est à ce moment-là que tu dois être avec les hommes. Mm-hmm. On oublie l'aspect danger qu'il y a et menace potentielle. Merci à vous. Chers auditeurs et auditrices, il faut euh, une sensibilisation, un suivi des enfants dès le bas âge pour euh, prévenir, limiter cette pratique qui met en danger la santé des enfants. C'est sous ces conseils pratiques que prend fin cette émission de ce soir. Nous étions avec euh, Monsieur Mamman Mahamman, inspecteur de police en service à la division de la protection des mineurs et des femmes. Monsieur Issa Alouaye, sociologue, et Monsieur Ibrahim Alzouma, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Merci, chers invités, d'être venus et à très bientôt pour un autre forum, une autre thématique.